je vais essayer de rester sérieuse tout simplement de am benn étude boo xamante ni dafa dafa génn Sénégal depuis burkidembo si je me trompe ñu ni étude boobu dafa wax ni 4 euh, millions 500 femmes non pas de mari 4 millions 500 femmes célibataires xaw ma célibataire qu'est-ce qu'ils entendent par célibataire peut-être ñi am far nous si wala ci la bokk en tout cas 4 millions 500 euh, femmes euh, célibataire au Sénégal affaire bi metti ma ba fu yam bu 4 millions Là, je me dis que l'affaire devient sérieuse. C'est pour cela que je voudrais demander, euh, partager la vidéo pour que euh, beaucoup de monde puissent en bénéficier. ñu nous faire des ñu surtout nous ko parce que pas wax dëgg fa euh, pourquoi ma avons ñu ci nguur que ni dañoo Nous ni comme comme comme loi ou Euh, assemblée lañ koy defee te assemblée boobu assemblée nationale bu Sénégal bi gisuñu fi kenn koo xamante ni moom moo fi représenté célibataires yi donc je voudrais tout simplement que ñun jigéen qu'on se réunisse ñun jigéen qu'on soit solidaire pour une fois ku nek xam na ne jigéen euh, solidaire ku nek xam na ne jigéen xeexante gënal kay ñu xéx. Euh, donc je voudrais que jigéen ñi nga xamante en tout cas euh, jigéen ñu ñu ñu ñu ñu sérieuse lañu wala jigéen ñoo xamante sujet bi ça leur euh, tient à cœur que ensemble qu'on puisse xeex ba nga xamante ni assemblée nationale dinañ fa am koo xam daf ñu fay représenter célibataires yi euh, assemblée nationale pourquoi parce que lépp loo xamante ni loi la assemblée lañ koy voté lépp loo xamante ni ay kàddu la yoo xamante ni day day dafa important ay décision yu important assemblée nationale lañ koy waxee te assemblée boobu buñ fa amoon ku ñu représenter ñun célibataires yi peut-être que ni dina dina am loo xamante ni dina wàññeeku ci 4 millions 500 femmes yooyu kon ñu wax ne amuñu ay ay ay ay borom kër euh, mais aussi je voudrais que nous imposions une affaire bu ñu ku ñu représenté dinañu mëna xéxal mais ba amagun ko je voudrais que Macky Sall bu ne kenn ci wa Macky ñu dégg bu les libaas yaa may dégg ak ñi nga xam Nous ay kilifa lañu bëgguma tuddu seen tur ñi ci vidéo bi ngeen ñu suñu suñu suñu suñu doléance yi 4 euh, millions personnes ku voter koko kooku di nga jël ndam li te ci 4 millions 500 femmes yooyu bu fekkente ñep ñëpp ñu Macky Sall ñu si bëri Macky Sall lañu la ñu voté te nag wax dëgg fa yàlla un président il est là pour son peuple qu'on a voté ou pas pour Macky Sall il est temps que Macky Sall nak nous aide il est temps que Macky Sall ndax waxoon naa fi daaw ñaanoon naa ko njëkk ñaanoon ko dimbal moom Macky ni ko nañu dimbale ba homme yu pauvre yi bàyyi ñu ba benn homme bu pauvre bu mu duñu doxaan ba léegi Macky Sall dimbale si ba tey ba pauvre ñoo ñu gën a sonal masagu ñoo dox ci mbedd ba homme riche abordé ñu masagu ñoo dox ci mbedd ba gis koo xamante ni ku tane nga ñun ñu doxaan ñëpp ay baarool la naa ko Macky Sall may ñu dimbal léegi nag comme élection dañoo xeex ba Macky Sall faluwaat léegi dañoo bëggoon ñaan Macky Sall liñ koy ñaan nag barewul liñ koy ñaan mooy que ne qu'il impose qu'il impose à tous les hommes sénégalais tous les hommes sénégalais je dis bien tous les hommes sénégalais la loi boo xamante ni daf di imposer quand un homme sénégalais va marier avec une autre femme ak d'une autre nationalité qu'il paye des impôts qu'il paye des impôts on ne peut pas se dire sénégalais di dem di jëli ay marchandises de xaj di ko dugal ci dëkk bi te doo fay duwaat commerçant yi Mame Diarra Wade Fara Wade ak Daara Wade xam na li may wax képp koo xamante ni yaa ngi tukki wala ngay commerçant xam nga ni boo jëlee ci àll ba beneen marchandise dugal ko biir Sénégal da ngay fay douane donc maintenant qu'on fait la même chose avec nos góoru Sénégal bu génn Sénégal gi dem takki beneen nationalité mu fay ay taxe mu fay impôt waaw waaw dangay ngay fay douane ndax boo demee jënd sa ceeb sa dugal ko Sénégal da ngay fay douane kon ku fi bu ñorul ca tubaab wala ca ñag wala ca chinois ya dóor ko biir Sénégal bàyyi fi sénégalais yi nañu fay impôt nañu fay taxe gis nga nak buñu imposé woon loolu dina bare léegi sénégalais yo xamanteni ni dinañu am jëkkër dina am légui ño xamanteni ni dootuñu bokk ci célibat que Macky Sall impose à tous ces hommes là de marier une sénégalaise si tu maries pas une sénégalaise tu tu vas te marier avec une nationalité de je sais pas où là tu l'amènes dans nos pays là tu payes des impôts.

waaw man daal bëgg naa ku ñu représenté ca palais ba mais bu Macky imposé xale bu góor bu ci am imposé la tu te maries par force tu veux pas te marier tu vas à Rebeuss yaakaar naa ni loolu bu ko Macky defee ils vont préférer se marier que aller à Rebeuss ndax mariage moo gën a neex Rebeuss de il est temps qu'on se mette d'accord les ngeen dugg ci vidéo bi faites-moi signe en commentaire ma woo leen ngeen ngeen participer wax seen xalaat Eva Guissé bëgg naa nga dugg wax sa xalaat Mame Diarra Mame Diarra Farawaad ak Daara Waad Diagne duggal wax sa xalaat Babacar Sow yow aussi soxla naa sa xalaat comme ça ñu bëgg ñu mën a trouver solution sur problème bi parce que ça commence à être sérieux les gars là on nous dit qu'il y a 4 millions 500 de mari au Sénégal là ça devient sérieux et pourtant les 4

condition d'âge sans condition d'âge je veux na Macky Sall dimbale ñu Marème Faye Sall dimbale ñu ñu ñu ñu ñu ñu imposé yenn luwaay xale bu góor bu takk jabar sa xaj nga ñëw fay taxe waaw parce que là woonu di y'a quatre millions 500 cent femmes sans mari là ça devient grave que tous nos frères là tous nos frères sénégalais qui sont partis se marier avec d'autres nationalités nañu fay douane nañu fay douane maa ngi ziar sama brode moom gladiateur ak ak job Diop c'est le prince charmant de des Baye c'est le prince des Baye mais nga nek presse ak nga ñak nek prince la ci La dama ni na Macky Sall imposé loi boo xamante xalé bu goor bu takati keneen bu dul nationalité sénégalaise na fay taxe na fay impôt ndax bo gën démé jënd seen ay ceeb sa xat bu ngeen koy dugal Sénégal da ngeen di fay taxe da ngeen di fay douane donc quand vous partez marier une autre femme ailleurs c'est pas une sénégalaise pourquoi vous payez pas la douane et là c'est fastoche vous allez marier d'autres nationalités njiitu mais je suis... gouvernement vous me servez à quoi Hein vous me servez à quoi vous êtes mes amis vous êtes ministres mais vous me servez à rien moi je vous demande pas votre argent je veux pas votre argent la seule chose que je veux c'est que la doléance de toutes ces femmes là rentre dans les oreilles du président de la République nous on en a marre que le, président impose une loi qui fait payer euh, le taxe à tous les hommes qui partent se marier à d'autres nationalités qui payent des taxes qu'ils payent des impôts. Ils ont le choix entre payer les impôts ou marier une femme sénégalaise. Deuxième but, c'était quoi Deuxième but, moi, bu waxambaane bu ans ni que la loi sénégalaise leur impose de se marier L'image wax c'est clair que la loi sénégalaise impose euh, à tous les hommes sénégalais là qui qui ont 20 ans voire plus qui sont qui n'ont pas de femme Il y a l'intérêt takk jabar lu vous mariez vous mariez les femmes là on en a marre troisième aussi moi que Macky Sall impose une loi à tous les hommes qui sont mariés depuis 20 ans c'est-à-dire que takk jabar ku takk jabar vingt ans deuxième femme qui t'impose une deuxième femme tu vas pas prendre deuxième femme tu dors à rebus. tu vas pas prendre deuxième femme va dormir en prison Si la loi sénégalaise nous aide, on va plus être 4 500 000 femmes à ne pas avoir d'hommes y en a marre les filles j'ai besoin de vous Vous bëgg participer na ma def si mu dugg ci vidéo bi ku nekk joxe xalaatam sama brother kooku ñoom ñoo bokk man ak moom ñoo bokk nday ñoo bokk baay moom Mamadou Tunkara c'est un grand que j'adore c'est un grand que j'aime de trop fort mais grand désormais tu fais partie de de de de de de, ñi may guerre yow sama brother nga ñoo bokk nday bokk baay mais ci guerre bi nga bokk dama ni leen boo leen takkee jabar 20 ans amu leen ñaareel takki leen ñaareel que Macky Sall vous impose cette loi là que Macky vous impose cette loi-là, que Macky impose la loi à tous ces jeunes de 20 ans-là de prendre femme, et puis sans limite d'âge. Je sais que je répète, je sais que l'imaïwa m'a encore répété. Moi, quand j'ai 20, 20 ans, en a rien. Sénégal, beau gosse, 20 ans, là, 22 ans, 25 ans. Et quand tu leur dragues, ils vont te dire Ah, mais yo, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai

Limassou li nga bind nii rëy na nokku naa de ay man bandi laa bëgg man je parle des autres hommes pas mon homme mon homme il fait pas partie ah je parle des autres hommes laa door les gladiateurs les Prince Lul Tunkara les Babacar Sow tous ces hommes là qui qui qui que vous voulez aller prendre mais eh, yow Limassou mi li mu wax yow na man de damaa tiit ba mënatuma wax waaye yow. non oh, yow li ma saw mi mi mi yow li ma mi wér na yow na bind limu bind nak ñorna gra comme yow nga jang te man jàngu ma dama bëgg nga wax ma naka la voter loi bi naka lañuy def na poser samay pensées ci papier ñu voter loi bi aide-moi s'il te plaît tu es mon frère tu m'appelles et tu me dis comment on fait parce que moi j'ai des amis ministres je les vois rentrer dans cette vidéo là mais vous m'en servez à quoi vous m'en servez à quoi Hein? vous vous êtes ministre mais vous pouvez pas m'aider à voter cette loi là Hein? c'est quoi votre problème Qui a Macky Sall de prendre une deuxième femme aussi Macky Sall man tous les hommes député je dis bien et je répète je dis bien même tous les hommes sénégalais qui ont une seule femme que la loi sénégalaise leur impose de prendre une deuxième femme Il y en a marre du célibat Il y en a marre qu'on nous dit il y a 4 500 000 sénégalaises qui n'ont pas de femme mais on est où là pourquoi vous avez peur de vos femmes là Vous, avez peur de vos femmes, pourquoi Ces femmes, nous on est femmes, non Vous êtes mariés avec femmes, nous on est femmes, venez nous marier, merde Hein ku fi tudd bandi nag Vous faites toutes de fi moi je parle pour pour les autres hommes mon homme là vous laissez tranquille ça là ça là il faut pas il faut même pas y penser Voilà. je dis bien les hommes qui sont mariés depuis 20 ans, qui n'ont pas de deuxième femme, qu'il aille prendre une deuxième femme obligatoirement. Les jeunes de 20 ans là, qui n'ont pas de femme, que ça leur impose une épouse. j'en ai rien à foutre je dis eh, vous mariez les femmes vous avez 20 ans vous mariez les femmes et sans limite d'âge vous avez moi j'ai 22 ans il n'y a pas de 22 ans si vous avez 22 ans on vous donne une femme qui a 60 ans prenez ces femmes non ces femmes non mais vous là c'est quoi votre problème Il y a une différence entre femme de 20 ans et femme de 48 ans c'est quoi la différence hein? c'est quoi la différence je dis bien les hommes de 20 ans les hommes de 40 ans tout homme qui marche dans le Sénégal avec ses couilles et qui n'a pas de femme là, que la loi sénégalaise vous impose de prendre épouse. Parce qu'ils sont tous en train de coucher avec l'enfant d'autrui. Hein. Vous, vous êtes en train de faire l'amour avec l'enfant d'autrui, mais quand on vous dites de marier, vous dites de faire De faire quoi De faire quoi Regarde-moi l'autre gamin là, il a dit j'ai 19 ans. Tu as 19 ans, mais tu n'as pas couché avec l'enfant du voisin. Et puis vous êtes en train de dire je suis jeune. Je suis jeune et couleur de jeune. Hein? Et je suis jeune, que Macky nous, nous aide. Si Macky Sall nous aide pas, avant 5 ans même, c'est nous-mêmes, on va aller au palais. N'est-ce pas, c'est les sons qui étaient en train de dire on va déloger Macky Sall du palais. Si, si Macky Sall nous aide pas avec cette loi-là, c'est nous les 4 500 célibataires-là. On va aller dormir devant le palais. On va pas le déloger. On va dormir devant là. Tu as cherché femme, nous on est femme. Il hein? man a des dogal de Faye Sall dama ko bëgg barke yeneen bi dama koo bëgg mais bu deful nànk nag dimbala loi Macky Sall tout tous se C'est lui le président, non Quand tu es président, tu prends tout. Tu prends tout. Tu es présent et puis tu es en train de faire des choix. Nous, il y a des belles filles là-dedans. Il hein. y a des belles filles là-dedans. Dans mon Facebook, là, il y a des belles filles. Tu es président, tu prends quatre femmes. Tu es ministre, tu prends quatre femmes. Pourquoi au Sénégal, les ministres ne prennent pas quatre femmes Hein Pourquoi au Sénégal, les, les, les présidents n'ont pas deux femmes, trois femmes, quatre femmes Pas là, c'est large, non c'est large. On peut être à quatre là-dedans, ça qui Et eh, moi, je comprends rien dans ce pays-là. On est en train de nous dire le président a une seule femme, le ministre a une seule femme. Mais parler là, c'est large. C'est large jusqu'à je ne sais pas quoi. Les hommes riches du Sénégal, là, pourquoi ils prennent pas deux femmes Chez Youssou Ndour, là, vous avez vu comment c'est hein? C'est large, c'est grand. Il y a quatre femmes qui peuvent dormir là. Donc pourquoi vous êtes radin, radin comme ça, là Moi, je comprends pas. Hein que la loi impose à Youssou de prendre quatre femmes, que la loi impose à, tous les gens du Sénégal de prendre quatre femmes. Macky Sall euh, Youssou tous les gens riches de prendre quatre femmes. Cheikh Amaro tout tout c'est tout le les pauvres qui sont en train de prendre quatre femmes et les riches eux ils sont ils ont une seule femme. Pourquoi vous avez une seule femme hein? pourquoi vous avez une seule femme tous les riches ont une seule femme et les pauvres ils ont quatre femmes cinq femmes dix femmes. Plus les tacos qu'ils ont fait là, la fille du voisin, sans même que les gens ils sont au courant. Maintenant que ça arrête, moi je rigole plus. Hein. Moi je dis bien, je rigole plus. Maintenant quelqu'un qui va rentrer dans la vidéo n'a qu'à rentrer. pas xam la ça. ça. fait la somme. Les gens sont là en train de, marier, de se marier entre eux. C'est toujours la femme qui se marie avec le, riche qui se marie avec le riche. C'est toujours, toujours, toujours. Nous les pauvres, on nous dit vous êtes 4 500 4 500 il y a quoi Il y a quoi les 4 500 Il y a quoi